Mercredi 19 avril, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalongo. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires. Merci de votre fidélité. Je suis Salamatou Kadri. Qu'on nomme Sali. Ah ouais, et à mes côtés, Ali Tajissir. La technique est assurée par Mustafa Ayouba, Adam Dawaki et à l'édition. Tajissir, bonjour. Bonjour Salamatou. Ah, je vais super bien, Dieu merci. Qu'est-ce que nous avons pour nos auditeurs ce matin Alors, comme toujours, Sali, nous offrirons à nos fidèles auditeurs et auditrices un programme riche composé d'un flash d'informations, du loti avec les femmes du studio Kalangu, du sport, de la culture linguistique. Il y aura également un reportage en région sur le préparatif de la fête de Ramadan au marché de Torodi à Tilaberi. Et dans nos rubriques spéciales Ramadan, il y aura les, les conseils religieux, diabétiques et culinaires. Dans la rubrique rose également, vous aurez des petites astuces pour mieux vous sentir dans votre peau. Nous terminerons avec les messages de nos auditeurs. Et comme invité, nous recevons Youssef Mohamed, entraîneur et arbitre national en taekwondo. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec notre flash d'information présenté par Michel Deji. Michel, bonjour. Bonjour, Salamatou. bonjour. Michel. Quelle est l'actualité de ce matin-là oui, il faut commencer donc avec euh, ce forum Afrique des investisseurs français, Business avec l'Afrique, l'heure du New Deal. C'est le thème de l'édition 2023 de ce forum Afrique des investisseurs français auquel a participé le Premier ministre nigérien Oumoudou Mohamedou. C'était hier à Paris sous le haut patronage du président français Emmanuel Macron. À cette occasion, il a présenté aux investisseurs français les opportunités du Niger dans le domaine du business. Le Niger euh, est le futur Aldorado de l'Afrique et c'est un pays où il faut investir. Il ne faut pas que les investisseurs français soient les derniers à venir euh, au Niger, il faut qu'ils soient parmi les premiers, à déclarer le chef du gouvernement nigérien à nos confrères de RFI. Un dépôt informel de carburant a pris feu lundi dans une concession à Dakoro dans la région de Maradi. Selon le journal Le Souffle de Maradi, aucune perte en vie humaine ni de blessés ne sont à déplorer. Cependant, les dégâts matériels sont importants, dont un véhicule, 120 fûts d'essence et quatre autres boutiques contenant du carburant ont tous été calcinés de la religion pour terminer le jeûne du Ramadan de l'année 1444 de l'Égir qui est à son 28e jour aujourd'hui tire à sa fin au Niger, le ciel sera scruté demain soir si l'apparition du nouveau croissant lunaire est confirmée par le Conseil islamique nigérien. La fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan sera célébrée le vendredi 21 avril 2023. En attendant, les préparatifs de cette fête vont bon train en ce moment. Et c'est tout pour ce flash. Merci Michel pour toutes ces informations. Chers auditeurs et auditrices, comme invités ce matin, nous sommes avec Mohamed Youssouf, entraîneur et arbitre national en taekwondo. Il est détenteur d'une ceinture noire deuxième dan. Bonjour maître, merci d'avoir euh, répondu à notre invitation. Bonjour Ali, bonjour Sali. Bonjour, bonjour Mohamed. Depuis un certain temps, les arts martiaux sont une vitrine pour le Niger. Beaucoup de pratiquants représentent fièrement le Niger et gagnent des médailles. Oui, aujourd'hui nous allons parler du taekwondo, cet art martial tant apprécié par les jeunes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, chers auditeurs, nous allons d'abord écouter les mots du prédicateur. Ce matin, nous allons parler des dates et ses vertus pour les jeunes. Les dates sont des aliments très consommés au cours de ce mois de Ramadan. Selon le prédicateur Sheikh Mohamed Nassir, ce fruit est consommé depuis des milliers d'années pour ses vertus. Les détails au micro de notre correspondant Adosso Nana Hadiza Hassan. a ice na duniya babu ice mai asali kamar dabinuwa saboda laka wadda Allah ya halicci annabi Adamu da ita ita ce ta yi saura sai Allah ya halicci dabino da ita ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya hori musulmi da cewan idan aka sha ruwa da azumi a ci dabino yana da sirri kwarai duk wani bitamin da aka sani a duniya to yana cikin dabino kuma a cikin minti ɗaya yake bada shi a jikin ɗan adam in aka ci kuma tun zamanin sai da tuna maryam da aka a annabi isa aka ce mata ta kama dabino ta gilgiza ta gilgiza sai dabino ɗanye ya zubo ta ɗauka ta ci sannan dabino yana amfani ga macen da ta aihu macen da ta aihu ana so ta ci maga ɗanyen dabino saboda akwai kuma abin da yake sawa wasu cutoci su mutu malamai sun ce idan aka ci dabino Après ces conseils religieux, chers auditeurs et auditrices, retour au studio avec notre invité. Oui, Mohamed Youssouf est avec nous. Il est coach à taekwondo. Mohamed, rebonjour. Bonjour. Et Mohamed, comment définissez-vous le taekwondo La définition du taekwondo, qui veut dire euh, le taille, qui veut dire euh, le coup de poing, le coin qui veut dire le coup de pied et le dos qui veut dire l'esprit. Hmm. Voilà, vas-y. Ça veut dire c'est un combat. Euh, c'est ça, c'est ça la discipline. C'est une discipline qui vient de, de la Corée. C'est une discipline. Bon, le taekwondo, à part se défendre, quel est l'apport de ce sport pour le pratiquant euh, tout d'abord, le taekwondo, c'est vraiment une discipline qui, tu, qui donne la santé d'abord. Tout un quelqu'un qui pratique le taekwondo a la santé et peut se défendre à tout moment. Et on peut dire que vraiment, il peut évoluer ça veut dire le bien-être en un mot. Alors, parle-nous de toi, euh, de vous. Comment euh, arrivez-vous à ce niveau-là Qu'est-ce qui vous a motivé jusqu'à aller dans ce sport de taekwondo-là Oui, je, je, je, j'ai rencontré le, taekwondo à Niamey, donc euh, à bas âge, en classe de 6e. Donc, c'était en 2013. Donc, je me suis inscrit dans le club du Wangari avec le maître Amadou Marou. Donc, c'est comme ça ça a commencé et petit à petit avancer avec les ceintures de couleur et jusqu'à même remporter ma première dan ceinture noire dans, en 2020. Donc l'année qui suit, en même temps, je continue à avoir ma deuxième dan. Donc vraiment, je pense que c'est déjà bien. je suis aussi détenteur du coach national level 1. Donc après ça, en même temps, je me suis mis dans les, dans les qualités d'arbitrage. Vous, ça. vous êtes arbitre national. oui, je suis arbitre national. Il a, il a, parlé aussi du coach Leven One. Pouvez-vous nous expliquer ça Oui, le coaching, donc en fait, dans les taekwondo, il y a beaucoup de domaines, on peut dire. Il y a les domaines de coaching, il y a les domaines des athlètes, les domaines aussi des arbitrages. Donc c'est beaucoup en fait. Mais level 1 là, ça signifie quoi euh, ça, ça signifie donc euh, niveau 1. Niveau 1. Ah ok, en anglais. En anglais, <laughs> Mais quel est l'état actuel du taekwondo au Niger Les jeunes s'y intéressent-ils oui, on peut dire que vraiment aujourd'hui le taekwondo au Niger euh, ça avance beaucoup et il faut vraiment revoir un peu les temps en arrière. En 2016, il y avait Alphaga, le champion national qui avait remporté la médaille d'argent au Rio 2016. Donc vous voyez vraiment jusqu'à aujourd'hui le taekwondo est en bon état, on peut le dire. Ça veut dire les gens s'intéressent maintenant. Les jeunes s'y intéressent surtout. Euh, il y a beaucoup de clubs qui se créent de taekwondo. Oui, il y a beaucoup. Ça évolue beaucoup parce que le taekwondo est une discipline euh, vraiment euh, populaire, en fait, je vais le dire, au Niger. Et le taekwondo aussi compte parmi les, disciplines primaires, on peut le dire, mais même dans le sport général au Niger, le taekwondo prend la première place, je pense vraiment. C'est très important. Alors, à votre avis, est-ce que tous les pratiquants du taekwondo ont les mêmes objectifs c'est-à-dire, euh, c'est performer pour, euh, par exemple, représenter aussi les Niger. Est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs, tous les pratiquants du taekwondo Oui, bon, ils n'ont ils ont pas les mêmes objectifs. D'autres euh, veulent être combattants, d'autres veulent être des arbitres, d'autres veulent être aussi des coachs. Donc, vous voyez, c'est des chemins différents. Le taekwondo aujourd'hui permet aux pratiquants de choisir beaucoup de domaines. C'est ça. Et quelles sont les opportunités pour les pratiquants de taekwondo au Niger et à l'international oui, il y a beaucoup d'opportunités. Vraiment, on peut le dire que vraiment aujourd'hui, les sportifs euh, du Niger, ils ont des opportunités au niveau national et international. Avec les brousses olympiques qu'on peut avoir, on peut participer aussi à beaucoup de championnats nationaux et à l'international. Les bourses olympiques, comment ça, fonctionne Oui, les bourses, ça, ça, ça, dépend de, de de, l'athlète ou du coach ou bien du responsable qui, qui veut beaucoup, qui se donne beaucoup au taekwondo, qui, qui mène vraiment une, une activité forte. Donc, Il sera sélectionné, euh, sélectionné par un comité olympique ou bien il sera sélectionné ici au Niger même Oui, c'est toujours par euh, le. On peut dire que c'est toujours par euh, le comité olympique parce que ça, ça dépend de, de la personne. Si. Alors, en tant que jeune entraîneur euh, et arbitre national, avez-vous d'autres objectifs Oui, j'ai beaucoup des en fait. Euh, bon, je veux dire que <laughs> euh, j'ai beaucoup de choses que je voudrais faire, mais ça n'a pas réalisé. On peut dire que vraiment aujourd'hui, je, pense beaucoup à, créer un club et même participer à l'international. vraiment pour partir loin, représenter le Niger. Donc c'est ça. Mais moi, j'ai une question particulière. Maintenant, dans le taekwondo, on voit le jaune, le rouge, ou bien ce oui, les ceintures. Voilà, les ceintures. comment, comment on peut comprendre le passage Voilà, même les, passages, comment, comment on fait ça Les levels en fonction des. Oui, les passages des ceintures, euh, des couleurs, d'abord, euh, c'est des passages qui se font de chaque euh, deux mois à chaque deux mois. Donc vous voyez, c'est comme ça, ça s'y passe. Si la personne a la ceinture blanche commence, il fait deux mois. Après, on fait un passage il prend sa ceinture euh, jaune. De jaune en bleu. C'est des tests qu'on fait pour avoir les Chaque deux mois Oui, chaque deux mois. en tout, on ça dépend de, l'année. Parce que des fois, en vacances, vous voyez, c'est plus actif. Mais dans les temps des scolaires, donc vous voyez, c'est un peu Là. difficile. Hein, c'est un peu difficile. Dans ce cas, ci je m'inscris, chaque deux mois, j'aurai ceinture rouge, ceinture noire. En fonction des tests, n'est-ce pas <laughs> Dans un an, je peux avoir ceinture noire ou bien. Oui, bon, ça dépend de votre euh, performance. Si vous vous donnez à fond, vous pouvez. Euh, c'est un jury euh, qui, va juger. Oui, c'est Bon, par rapport au niveau des ceintures de couleur, on peut dire qu'ici, dans, même dans les clubs, qu'on fait les passages. Mais quand c'est les ceintures noires, là, c'est la fédération même qui organise les passages des grades. Et là, c'est des examens. Maintenant, tous les clubs vont venir ou bien comment oui, c'est des passages qui s'organisent au Palais des Sports et tout le monde est invité là-bas. Les candidats et les mêmes les téléspectateurs, ont ça, C'est la fédération qui organise ça Oui, oui. Ah, ok. Mais avant de continuer, Maître Youssouf, nous allons marquer une petite pause. Je vous propose de suivre avec euh, nous le conseil du nutritionniste aux jeunes diabétiques. Effectivement, les jeunes qui souffrent de diabète, de diabète a les mêmes besoins énergétiques et hydriques une personne en bonne santé pour le bon fonctionnement de son organisme. Cependant, le diabétique ne doit en aucun cas consommer du sucre lorsqu'il est à jeûne, explique le nutritionniste Dr Harakoui Mohamed, des propos recueillis par Hiratou Soumana. Les aliments sucrés ne sont pas du tout proscrits chez le diabétique. Cependant, il y a juste quelques règles à, à respecter. À la rupture, il est déconseillé et même contre-indiqué de consommer un aliment sucré, sauf si celui-ci il est en état d'hypoglycémie euh, extrême. Mais s'il n'a pas d'hypoglycémie, c'est toujours conseillé pour lui de prendre des aliments non sucrés, euh, comme exemple de rupture, il peut consommer euh, de la tisane non sucrée, du lait éventuellement demi écrémé ou écrémé. Ensuite de l'eau ou euh, consommer de l'eau en première position. Ensuite consommer des aliments riches en fibres comme le moringa, la salade. Après, il pourra pratiquement consommer euh, sa date, ses fruits. Et pareil pour le sahour, il doit y commencer avec un aliment riche en fibres, consommer son plat de résistance, ensuite consommer son fruit c'était les conseils du nutritionniste, chers auditeurs et auditrices, de retour au studio avec Maître Youssef pour la suite de nos échanges. Euh, Youssef, euh, est-ce que le Niger euh, aujourd'hui investit dans les sports, en particulier les taekwondo Oui, bon, vraiment, ce n'est pas trop progressif parce que vraiment, c'est il y a jusqu'à présent des équipes qui ne sont pas bien dans les conditions qu'il faut. Parce que vous voyez, hein, Aujourd'hui, le Niger, on peut le dire vraiment, c'est dommage. Hein. Mais sinon, c'est un pays pauvre, mais vraiment, avec tout cela, il y a des talents qui font de leur Mais vraiment, c'est, c'est pas encore. Euh, Donc, pour vous, euh, le sport n'est pas beaucoup entretenu ici au Niger, surtout le, sport du taekwondo Oui, c'est ça, je dis vraiment. C'est un peu difficile, en fait. Euh, Malgré les talents que, nous avons. Il y a beaucoup de talents, mais c'est un peu difficile, je vais le dire. Mais quand même, ça va. On peut évoluer dans les années à venir. Mais on peut espérer aussi que ça avance. Et comment appréciez-vous leur performance, les performances des taekwondistes ici au Niger Surtout de ceux qui ont représenté le Niger vraiment, qui se sont distingués, qui ont eu des médailles de bronze, d'argent et d'or. Ah non, on prend l'exemple sur Alphaga. Notre champion Alphaga. Oui, Alphaga. Leur performance AlphaGa, vraiment, c'est un athlète de haut niveau qui a beaucoup fait et il s'est construit lui-même. Donc, euh, il a beaucoup d'idées. Il a vraiment fait ce que personne n'a fait. Cela, ça fait déjà beaucoup d'années que personne n'a remporté une médaille olympique. Euh, et vous voyez, euh, si on revient en arrière, en 2016, c'était AlphaGa qui a fait ça en finale. Donc, jusqu'à présent, on peut dire que le niveau est bon. Euh, les performances euh, sont bonnes vraiment, ça va. Alors, euh, depuis 2017, où Alpha il a gagné la, médaille d'or, est-ce qu'il y a eu d'autres médailles que nos joueurs de, en taekwondo ont gagné, surtout au niveau international Oui, bien sûr, il y avait une médaille aussi olympique junior qui s'est organisée en Bulgarie dont Nourdine Isaka en catégorie junior, vous voyez, donc il avait remporté aussi une médaille euh, olympique junior. Donc c'est une fierté aussi. voilà. C'est très bien. Euh, récemment, il n'y a pas eu d'autres médailles. Euh, il a, il, a eu... Oui, tout récemment, ça n'a même pas fait longtemps. En 2023, dans le mois de euh, avril, Alphaga avait remporté une médaille en Espagne. Une médaille d'argent. Une médaille d'argent vraiment... Qui, alors, pour votre part, euh, qu'est-ce que vous faites euh, comme activité pour que vous formez les jeunes qu'ils soient compétitifs au niveau national Oui, nous formons des euh, athlètes. nous formons des athlètes dans nos clubs d'abord, parce que c'est dans les clubs que les athlètes progressent d'abord et après l'équipe nationale, ainsi de suite, jusqu'à l'international. Physiquement, moralement, nous vraiment donnons des formations, des encadrements de haut niveau. Voilà, pour revenir concernant les ceintures, pouvez-vous nous expliquer d'abord pour un débutant pour un débutant d'abord. Oui, pour un débutant qui commence, il commence donc, euh, on peut dire une estimation de deux mois pour euh, aller dans le passage des grades. Donc, euh, chaque deux mois, gagne une ceinture, ainsi de suite. Mais on peut dire que dans une seule année, il peut avoir sa ceinture noire du début à la fin, quels sont les que, le level du, du euh, donc, D'abord la ceinture blanche, après la ceinture blanche, la ceinture jaune, après la ceinture jaune, la ceinture bleue, après la ceinture bleue, euh, rouge, vous voyez. On ne passe pas de bleu à bleu, premier bleu, deuxième bleu, c'est directement qu'on passe Oui, bien sûr, ça dépend des, des, niveaux. Des, de la façon où les, les encadreurs font leur euh, appréciation. appréciation, oui. Tout dépend. Et pour finir, comment vous voyez l'avenir du taekwondo au Niger L'avenir du taekwondo est toujours dans, on peut dire que c'est toujours dans les mains des athlètes nigériens qui sont dans le pays à l'international. Et jusqu'à présent, on peut espérer aussi qu'Alphaga peut avoir une médaille encore dans les euh, Jeux Olympiques de 2024, Paris. Ok. Euh, alors, Maître Youssouf, aujourd'hui, euh, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les coups qui apportent beaucoup de points au niveau du taekwondo Oui, les coup qui rapportent beaucoup de points, c'est le coup euh, marqué à la tête. le coup marqué à la tête fait 3 points. Marqué à la tête, euh, vous pouvez nous, vous frapper la tête ou Non, on frappe comme ça ou bien On frappe avec le pied. C'est le pied qui frappe à la tête, c'est ça qui marque 3 points. On prend le pied, on tape ici et à puis la tête, oui. Ça donne 3 points. Au plastron, ça fait 2 points. Avec les points, ça donne 1 point. C'est ça la différence. Waouh. <laughs> Là, c'est intéressant. Très intéressant. Merci infiniment, Maître Youssef Mohamed, d'avoir répondu à notre invitation. Comme n'importe quel sport, le taekwondo est recommandé pour une bonne santé, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec notre rubrique hebdomadaire et nous allons parler de l'environnement. Oui, tous les mercredis, nous abordons les questions environnementales. Aujourd'hui, nous partons dans la commune rurale de Goudoumaria, dans la région de Difa. C'est une zone à vocation agro pastorale et l'agriculture y est, pratiquée par plus de 90% de la population. Malheureusement, les potentialités de la commune ont pris un coup, conséquence des effets du changement climatique. En tout cas, c'est ce qu'explique le directeur départemental adjoint du service de l'environnement, Collo Djerma. Il est interrogé par notre correspondant Mahamadou Mado. La commune de Gourmare a vocation agro-pastorale. Il y a beaucoup de Comment se présente la situation de l'assemblement Le département de Gourmare regorge d'énormes potentialités en matière de cuvettes oisiennes. Malheureusement, celles-ci sont dangereusement menacées par l'ensablement. Soulever la question de la préservation des quivettes constitue une réelle préoccupation. Qu'est-ce qui contribue à cette dégradation L'ensablement des c'est deux facteurs. Le premier facteur est traduit à travers la coupe abusive, la surexploitation des agricoles et pastorales, les mauvaises pratiques agricoles. Le deuxième facteur, vous savez, ces dernières années, les manifestations visibles des changements climatiques. Il y a aussi les sécheresses, tout ceci concourt à la dégradation de la nature. Quelles sont les conséquences liées à l'assemblement Nous constatons ici une diminution des aires agricoles et une baisse des rendements et aussi une infertilité des sols. Une diminution aussi de la production de fourrage, une influence au niveau de la nappe phréatique. Nous constatons de plus en plus une rareté de certaines espèces, aussi bien floristiques et fauniques, et une disparition quasi totale aussi de certaines espèces. Il y a aussi l'exode rural des braves les jeunes quittent la localité pour aller dans les pays environnants. Comment est-ce que vous faites pour euh, contrecarrer cette avancée Face à cette situation, l'État et ses partenaires ont déployé d'énormes efforts à titre illustratif en 2022 en matière de gestion des terres, notamment la fixation des dînes. 2722,4 hectares de fixation mécanique ont été réalisés accompagné de 1 892 plants plantés. L'ensemencement s'élève à 1680 hectares. Par rapport aux activités eh, que vous avez menées pour euh, lutter contre euh, l'assemblement ou l'avancée des dunes, est-ce que la population s'est appropriée Il n'y a pas une bonne appropriation des acquis pour une pérennité ou une durabilité des actions au niveau des populations locales. Mais ces dernières années, nous avons constaté que les gens ont commencé à prendre confiance, à changer de comportement. Au niveau des populations, il faut qu'il y ait un changement réel de comportement à lutter contre l'ensablement. Les populations locales doivent aussi s'approprier des acquis pour qu'il y ait une pérennisation. Au niveau des partenaires financiers aussi, nous plaidons pour que ces partenaires puissent agir en synergie et aussi investir à grande échelle. Les services techniques doivent fournir des efforts pour suivre les investissements réalisés en afin qu'ils soient durables et efficaces. Merci Mohamed Mado pour la réalisation de ce reportage. Il ressort toujours que les changements climatiques sont désastreux pour nos écosystèmes et les espèces qui y vivent. Nous devons tous contribuer à la préservation de la Terre, chers auditeurs et auditrices. C'est l'ère de la rubrique rose. Dans la rubrique rose des studios Kalangou, nous continuons à vous proposer des astuces santé et bien-être, astuces cuisine et des conseils beauté. Pour bien prendre soin de vous, de vos vêtements, Rukayatou et Mariam vous aident à vous sentir mieux. Et Rabiatou Mekano à bien vous occuper de votre ventre. On les écoute. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la rubrique rose de l'espace santé et bien-être. On trouve des alternatives aux produits défrisants chimiques. De l'espace entretien décoration intérieure, on chuchote nos fringues. Enfin, en cuisine, on continue de chercher des alternatives au pain. Merci de rester fidèle sur cette rubrique rose du studio Kalangu. Je vous propose des astuces naturelles et des conseils pour éviter au maximum l'utilisation de certains produits chimiques cancérigènes au quotidien. Pour les amatrices des défrisants, cette pratique tend à disparaître avec le mouvement NAPI apparu il y a quelques années qui consiste à garder ses cheveux frisés au naturel. Vous verrez que quand vous embrassez cette tendance, vous allez retrouver la beauté de vos cheveux naturels, mais il faut bien sûr les entretenir avec des produits adaptés pour leur apporter douceur et brillance. Voici une liste d'huiles que vous pourrez incorporer dans votre routine pour avoir le résultat voulu. L'huile de coco apporte volume et souplesse aux cheveux fins. L'huile de jojoba rééquilibre le cuir chevelu et répare les pointes abîmées. L'huile de nigel régule la production du sébum et assainit le cuir chevelu. L'huile d'amande douce apaise les démangeaisons et réduit le risque d'irritation. L'huile de ricin favorise la pousse des cheveux. L'huile d'avocat apporte de la brillance aux cheveux ternes et cassants. Si vous avez des cheveux rebelles rugueux, optez pour des masques, huile et beurre adoucissants. Pour cela, le beurre de karité reste votre meilleur allié pour vos masques et bains d'huile. Les masques permettent de nourrir les cheveux en profondeur et de leur apporter toute hydratation dont ils ont besoin, ce qui redonnera de l'éclat à votre chevelure terne et abîmée. Coucou les filles, aujourd'hui de l'espace entretien et décoration d'intérieur, nous allons parler des vêtements. Entretenir ses vêtements, prendre soin de ses vêtements et de les faire dire c'est tout un art. Nos vêtements, c'est carrément notre seconde peau. Il est important d'entretenir leurs éclats, de les garder en bon état, propre et pourquoi pas parfumé. Il est bien évident que vous aurez toujours envie de vous débarrasser d'un vêtement bien que qualitatif à l'origine qui se retrouvent boulochés, jaunis, tachés, délavés, isé, déformés, glissateurs. Votre allure en dépend. Nous avons pour vous ce soir quelques gestes à faire pour chuchoter nos fringues. 1. Lavez vos vêtements le moins souvent possible. Plus vous les lavez, plus vous les abîmez. 2. Attendez que votre déodorant soit sec sous vos aisselles avant de vous habiller. 3. Adoptez le gommage hebdomadaire du cou pour limiter les cols jaunis. 4. Évitez les auréoles sur les bras. Voilà de quoi tuer l'élégance. En plus, l'acidité de la cire abîme les fibres et incriste fortement la tache sans parler de mauvaises odeur. Optez pour une peau sans poils sous les aisselles. Les poils ne sont pas la cause de la transpiration, mais ils retiennent l'humidité. Ils peuvent favoriser le développement des bactéries. Merci bien, Mariam. Là, on a plein d'astuces pour chouchouter nos fringues. On passe maintenant à la cuisine. Amis jeunes, je vous propose aujourd'hui des beignets de pommes de terre. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un demi-kilo de pommes de terre, un œuf, une louche de farine de blé, 30 g d'émental. Le fromage est vraiment facultatif. Vous pouvez également choisir un autre fromage en dehors de l'émental, euh, du cheddar par exemple. Vous aurez besoin de l'huile, pour la friture, du sel, du poivre, céleri et persil haché. Première étape, épluchez les pommes de terre et faites-les cuire à l'eau salée pendant environ 25 minutes. Égouttez-les et réduisez-les en purée. Laissez tiédir. La deuxième étape consiste à placer la purée dans un saladier, mélanger avec la farine, l'emmental râpé, l'œuf, salé, poivré et ajouter le mélange de persil et céleri. Ensuite, faites chauffer l'huile de friture dans une casserole profonde. Prélevez des petites portions de pâte et roulez-les en boule. Plongez-les dans l'huile bien chaude et laissez cuire jusqu'à ce que les beignets soient bien dorés. Servez avec une petite sauce tomate que vous pouvez faire vous-même facilement à la maison. Très bon appétit, c'est tout pour euh, la rubrique rose. On se dit à demain pour encore plus de bons plans. Voilà, c'était là la rubrique rose. J'espère que ces astuces vous aident dans votre quotidien. Taji sera présent direction tilabéry pour le coup des régions pour s'inquiéter des prix des volailles à Touroudi. Ah oui, Salama Touroudi est situé à environ 60 km de la capitale. À quelques jours de la fête de Ramadan, les Niamaisés ou bien Niaméennes fréquentent le marché à la recherche des bons prix des volailles. Ce n'est pas un secret pour personne, la volaille particulièrement, la pentade est la star de cette fin de Ramadan. Notre correspondant Boubacar Karseni a recueilli quelques vis-à-vis sur les prix. a kala turo di habora acindi habgomo mi hawji ngarosi wo seno bore kanga dey de bore kanga biri ga kanda ganere hankanti wornga de cura go habora der ko gala sabu mo de ken baya menda me fun kanodin nyamei waseno irkoy fa fakarai da bore ga dai da bore ga nere matano gornga da cura goga ner nongo turo da habora irin hanga isi hanya mede ni yo fu gornga ne ni ka gade ku curo ina furo kai ki yo gade mo de kai ni hina yi ni to no bai jiri no kana wani manu so bai jingaro aga cindi bono a ah, borang ne kal zan wiye no gu borang ne zan ga ku borang ne zong wiye o be ha ka dai su ka ki da ke dai go dai dai yayin dai kadan go Allah kira a falar gorgon da gorgon da kira wannan ne tan kan da gorgon da kira gorgon wo hunkuna ikasa iga da zanguju wa kas ibana wo yo hunkuni sika dai da ga kira kira kira go zanguye borfon gudun ido da woyi yawan ne mene bai kan gabo kira ido haran haran amanta tarot haran bumbu waka ala haran gina amanta tarot hina turo waka yi da buhin zane kan gina a sik da sik da matan bude ba nan da mannan mannan bisara ba kan gwarna da cura go habora gumu gumu haran fiyanka gono da mannan zamda irko gala sabu hunkuna gwarna da cura ipiriyo gwanda damanongo turo di habora wala wakan yan kira to kira wa an kuwa wala kira man tabu ma irgodi iyen duwogu idun duwogu o oh, ma fi mi kira kira irwo mi akta za ba zan gwa ko zan gwa da bi ma tiya to ara na bon man na bo wala man na wono bisa ara wono iro ke diddi wono ga man na wono bisa ara wono ta no dun la bora no na mo kira shi no wala ko kidi idun duwogu iyen duwogu ayo man dino ka ta aku jinan da bore go de gumu gumu wana wana de koygela sabu hankanti cura do hare haran a gonda dogonai zamse a gono gumu to wallahi cura asinni prix cur beeri goo en cur keeri goono rew sona mboyen curene 3000 3000 a fo woni 4000 a fo woni 3500 a fo woni 3550 yaadu no a wura keeri gooni beeri goono a hara wo ke curaga faala na be harang haran halo ga curano ba jiri kul kan cura ba gornga to kul cura ga fala to am sesang ero din to am sesang il ko mai sonde actuellement nyamay 4 minutes go ne. mais ci bay ne gul ne jinga ro ton wala ton ci bay wadne ci ay ay dey a na cure fo 3 minutes 3 minutes ne do bodu bo kena ne ne ro ba man to 4 minutes din du zongun ne din du zongun ta ta ne ne fu ne ne ka a jirbinka jingarose borai godai ga kaga gwarna da cura dai zama haran a gafala mataran kaniya wai ba samai bubukar mata ham? wallahi ba ni samai de mata toro di bora kulu wallahi ta dikino to irin mai cino ba mata ne mata no gogte toro da habora ir dinin barbata soka nirse kansal nirse cura da gwarna do hara Irin mai cino ba girbi fo dai no gicindi walirum ne girbi en kadi di hando wal girbi fo mhm. mata ne mata no mhm. gogte cura da gwarna do hara wallahi tura da gwarna toro di hunkuna a gono mu er ko gala sabu hankanti tura piro subo er ga gabin tabora er goga di afoka inere zangu idu da wegu apoyon gono zangu iye apoyon gono zangu iye di wegu pinga ti firi bero nongo kasu kaso matakan tura wada nongo toro da dai bore go kaga sari mo zama ai ma son da barba tara ine tura gono amma dai ko sino a gangita zamtan sai girbin ka dai no cindi to hunkuna kun bin da kan ine kebuyan to sukutuga borai go ka wali ka wallahi borai go ka ko ne borai mo go sambu go ta ko mote bongo konda nyame mo sonda ide ko yi o ko garo ra ide go konda tura mo mo de ni sal ngir sai chu ni sal ngir sai chura bo amma ni man sal ngir sai gornga hayo bo to gornga de haran de go la sabu ko mu chura no ba da gornga haran turo di sabora e gornga de ko la sabu gornga agono gornga hano tanda iberi ga to zangu guga ko zangu tanda de ko la sabu tanda haran gornga no go turo sabora gornga firiyono go bene ko ka patkan ga no bada ba da gurna haram yani ga gwarngano cadan da cura haram da haram to rodi dai sambo dai za ko habu ka hun kuna kan irin da dai dai kan gwarngano cadan da cura haram zam cura ga bano ga sabu a to aborde na irgin fondo ga bubukar to merci To merci beaucoup, Boubacar Seni, et bonne journée à vous. Je profite euh, pour faire un coucou de passage à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent de l'autre côté de la région du fleuve. Chers auditeurs, auditrices, nous continuons, nous poursuivrons les rendez-vous du Niger sur Kalangou avec Disport, avec Soumana Amadou. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Alors bonjour Soumana. Bonjour euh, Tadjissir, bonjour Salamatou. Bonjour Soumana. Euh, aujourd'hui nous allons parler du football. Oui, effectivement, tout d'abord, nous allons à Maradi pour euh, voir la situation de la discipline dans cette région. Et c'est avec euh, le président de l'association régionale du football, El Hajj Mohamed Rabiou Mohamed. À Maradi, nous avons 16 clubs affiliés à la Fédération régionale de football. Au niveau de la communauté urbaine, on a 9 clubs, à savoir le Jean Gorzo, le Wambay, Nankasawa, et on a Europa, on a Atlantique, à AS Gladima, dans aussi. C'est ça qui fait les neuf clubs de la communauté urbaine. Au niveau des départements, nous avons deux clubs au niveau de Madaronfa, le Rupasso, FC et Mada FC. Au niveau de Kissawa, nous avons Nassara FC. Au niveau d'Agué, Espoir Nayayi, on a Zarmay, Gidarunji, nous avons eh, Gobir au niveau de Dakoro, nous avons des rames de Dakoro. Donc, c'est ça qui forme les 16 clubs. On a un seul club euh, au niveau de la Super League, le Jean Gorzo FC. Au niveau de la Ligue nationale, nous avons trois clubs, le Wombay AC, Dankasawa FC et Bourgia FC. Ces quatre clubs-là qui compétissent au niveau national. On a un seul club féminin, Wombay AC. Le problème sont toujours les mêmes. et le problème de financement. À part les Jongorzo, il n'y a aucun club qui est sponsorisé. En Europe, les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions sont connus depuis hier soir. Eh oui, les deux clubs les plus titrés de la compétition ont validé leur place dans le dernier carré mardi soir. Le Real Madrid et l'AC Milan sont donc les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions européenne édition 2022-2023. Le, Real Madrid, donc 14 euh, fois sacré et tenant du titre, a facilement éliminé Chelsea. Et à, à l'AC Milan. Milan AC, voilà. L'AC Milan, Milan AC, c'est la, même chose. Voilà, donc euh, cette, trophée aussi. Et on avait lui perdu les clés depuis 16 ans et a dû batailler pour euh, écarter Naples, un autre club de la Série A. Les Espagnols euh, ont de nouveau battu Chelsea 2 à 0, alors que les Milanais ont obtenu le nil à Naples 1-1 après leur succès du match aller. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci Soumana pour toutes ces infos sportives. À présent, partons à la rencontre de Chalo Ali, connu sous le nom de Chala Banana. Ah oui, Tchale Wali est un commerçant au marché des canets à Niamey. Avant de se lancer dans le commerce dans la capitale, il a commencé d'abord par l'humour, d'où son nom Tchale, signifie celui qui fait rire. Aujourd'hui, Tchale Wali s'est fait une renommée dans tout le pays grâce à la facilité qu'il offre aux clients. Voici son portrait signé Omo Umoru. Tchale Wali, Zawati ni Fatauchi, Ifo Niganera, ni Fatauchi Hora. Zakan goi Nigoti. hak kurai na gite ai giner wagani no da na wani no ya dinga kan ai kanya mai neran di bunu bunu yan na gite haye kai ga nera i ga bagumo zai kanya mai neran di ko no gwede na gite wo ir kwara isina sai kal karma bala amma nan kan ai sintin ga wayan din. da kuryan din hal sangai nan kan gumorno mbanga yang bulanjunga calkam nodi yen no nerwa zam nodi yen saje rano irgu ko kuru dir kuru nodin wa gona ibobo susu ba irga kanda bore gonda wa muradu irga neri sai fala to ifo se kigde se chala wali a ayi bore harandino no sintine kan agi bore harandi agi haran da agi yagi neran da kwani kodin sai no iga ke kyale kyale wali to sanwo ni habo wo kan ni gotera sanwo ifo ga ti gomni yan kan duni habo wora bon gomni wo irko do na gu fun askab ban. law gomni dai dai ga kabu ba kuna afo yanga ga tantan kwani ya ga yi mu da kabu <laughs> iga mu. to eske ni bai gudu sande da habiza wala haifa babu ah babor gonda tali ni singudu fas kai ko be ga chesi zama matkul kante jama'a kan gabai haraka ibada ai alasir fofa ai alasir fofo ba igonda bon sanni lalo ba nini no mikro isingaci zama dini ci borai no gi haru ya dinga bora ga idan ga binara ga dangai ya dinga sai doran da Zama zamat no haboci na gogote a wadin nogi gice borai gogu mai kani ne hay kul kan do ni di jama su koy manti hannano if wal ginde furta jaysi bor kul nan kan ir koy din gisi ma haw gadan ga to jina musta ga yabanda nan kan me ni di ni godin mu ko kargite da bare ni mu koy di ni mu ko karge yabanda musu kabu sandai wat kul mu dan ni jine kan ni gudu mu kontine gice gwai bor mu faham goy wo inda cerbande no irka kalbu yan no girfai zani ne ni su an andu wo ni sindi nongu zama su te goi hannu wani mu te ilalo amma wani a ga tilas mu goi bor kul din no aw nimte kan kangin nafa ga bor foyen nafa kal dai gojere ganda albarka gojere mu gwanda balaw to sonni ginawo ifo sakan ga ner fala akasa ga ner fala ay ba goyo kan ay subandi borbo bu mana fa'ara ifo gutin anniya kan gol sene koy gine ai anniya gati bankare jenga afrika ra am ban am sitabandi afrika kulu bankare jenga wo am sitabandi bankare kan borai gu murada ga kula gu kokari gu kanda ise ai ga neri se ganda bai gidan riba ai sida ribu bobo kelke fran ne gidan ay sida ay kanga nam bora kulmu nafa wadin senegati ni godu riba ni godu albarka ah albarka alhamdulillah eh <laughs> ko bando de son girma jakka son kan te ma kan bora kullin bai me de banga ai kan nan bora ne bai da gabi sintinai ai bora haran da haran dodi wat kai sintin gate wato din bora ne bai de gabi Merci Oumou Mourou pour ces portraits. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, auditrices, c'est le moment pour nous de découvrir la recette culinaire. Et aujourd'hui, nous allons à Dandi pour parler de komandi. Effectivement, Gungu Mohamed Dantani, un reportage de la région, est allé à la rencontre des Rakia Mainasara, une spécialiste septiagénaire spécialisée dans la préparation de cette bouillie authentique des Gaïa. Elle nous explique le processus de préparation de la bouillie, une bonne rupture de gêne. komandi gono kan igate kya se sasa komandi haini fallan ka anu amma sasa komandi no ganda komandi ne yanga fai fo gono igate bosai wani ikulo haini fallan ka anu amma ifai oh fo mo gono haini dai mi gate din na duru iga haino zambo iga da mara nga wahai kudin da mara komandi dai no kudin haino mhm. wo fo ni tegina kalam ko ko ndu dilo hayno oh. igadan harora ka nyunu kalama hanne zibi kulu kan gonara iga tamadan gaka har bi ko no ngano iga heno nyununda kala mu bori da a bori ina tama danga jibo kulka ima haro dan ka dorara kala mu hege a foyin sanda yawo musan kila ni gaida kalan di karu masallaci ka gocha ima dutuno kai ki kuli solan solan Ni ni solan haro fatira ima kanda tangere kadan daru ki kuli yandi yandi har wani fataila ima doku ka kwai musimodo di kwai musimodo ini musim ikanda ima dusin tin kokoso kokoso ya mai woke gote dina ko ya mote a kaninga la akali ga zibi fo kulisi no ima do ka ka sagu kan nan kan abori ka dabu da ku so wasu ima du sabai ka wo ka ga candi bati kan ganda hadun gwa ga saba ima sabai ga dam hamu ga komanditen da hamu iga hiniga tan da gumo hamu komando bati ki ga wene yente iga dan hari ka kwanda masin ka masin kalama nini ima kaga kokoso da a kani ima haimu rasu sugo ka gaga ima kuso da ke ka awi borfo yan gono iga yazi iga dan kittafu iga dan hancin kare iga dan kansi iga margu dan haino hawo mabele borfo mu sai hai kudda mara yadin dai ni ga hau kuma mo ba ki gane komandi komandai gono komandi fon gono di te iba moru no bursi ne ka amma i komandai wai ga girbi hin kai ga girbi hin zate i gole da ra ka hawa to kul kan ni na feri kaddam tar musu ra wanni na han asimoro sanda dai son hadin dai no ito gawu Merci beaucoup, Gungu Mohamed Dantani, de nous, de nous avoir donné ce reportage qui nous explique comment on prépare le commandi qui me rappelle d'ailleurs Rajara de chez nous. Ah non, Rajara ou bien quoi là En tout cas, je ne sais pas prononcer ce mot là C'est pour la prochaine fois, nous allons parler de ça. Ok, d'accord. Alors, place aux femmes du studio Kalango pour les lotis du jour qui nous parlent du programme Télé Enfants. Et eh oui, agis sur la rubrique lotis de ce mercredi 19 avril met l'accent sur le programme des télévisions. En effet, ils sont nombreux les enfants qui sont accros à l'écran des chaînes télévisées. Bref, ils passent plusieurs heures devant l'écran. Cela pourrait avoir une influence sur le bien-être et le développement intellectuel de l'enfant. Écoutons la discussion entre Fanta Shamsou et Rakia Arimi sur le sujet. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji maza kashe mini wannan TV. Maza, sahi da marece, rayuwarki gabar wannan na'uran yake, dan Allah ya isa, kashe mini shi. Salamu alaikum, ke mamu, mike horwa ne kike ta kwale ihu haka, ana jin ki har kofa, ai ko an sama kike wa magana ya isa haka. Hmm. Kar ki ga laifi na gora, za su sa na mutu ban shirya ba, kulli yaumin gaban tele wani bi ko cin abinci ba su yi dubi kiga yadda samira ta rame kamar wata 'yar tamowa a shagora yaran yanzu ai dukka tahiya guda ta kwaso su sun kafa tele kenan wallahi gora ko kina so ki aike su gun mai tebur muddin bakin amshe tele ba ko kuma ki kashe telen nan wallahi baki samun biyan bukata To wallahi gora ki kiyaye. Saboda talabijin na da matukar illa ga lafiyar jiki, musamman kan ci gaban ƙananan yara. Kar ki faɗi gora, kenan yana iya makabtar dawa da kuma kurmantawa? A'a ke ku ai ban kai nan ba. A cewar masana, talabijin na da mummunan tasiri ga ci gaban yara, musamman a yaran da ke da ƙasa da shekaru uku. Me nake shirin ji? Ƙwarai kuwa, ba wannan kaɗai ba ga yaran matasa yawan kallon tv yana iya jagorantar su zuwa ga tabi'ar rashin zaman jama'a wato za su keɓe kansu ba za su yi wasa da abokanansu ba kuma ba za su yi hulɗa da iyayensu ba har da ma a cikin karatunsu ba sa ajiye hankalinsu abin da ya fi damun su shine kawai kar su rasa shirye-shiryen tv wanda suka saba kallo wallahi wannan gaskiya ce gora tun da da ket samira ta samu daidai makin da ya dace a jarabawarta ta farko ina cewa ko menene dalili ke da kanki ne ke tura yarki ta kamu da son kallon tele ya kamata ki ba ta dama ma'ana ta je ta yi wasa da yara abokananta kenan wannan babbar matsala ce gora ni da nike tsammanin kallon talabijin zai ba su damar samun ilimi kuma su kasance a gaba a cikin sauran yara so da yawa tana yi mini magana da kalmomi masu ƙarfi cikin faransanci ke gora ni da kaina ban fahimtar abin da take haɗi to ba kin gani da kanki ba Don haka, ki hanzarin ɗaukan matakai. Wata rana ɗana Ismail yana kallon talabijin. Sai na zo na kashi, ya yi wani irin mugun hushi gora ina gaya miki. Ya tada min wani rikici, da kyar kafin in samu in shawo kan shi. Wani kawunsa likitan kwakwalwa ne ya zo gidanmu, ya bani shawarwari masu kyau. A yanzu hankulan yaran sun daidaita, suna wasansu a fili har ma sun farfasa kayan jerena wajen bala'in tsalle su da kun buga kwallon kafarsu sam sun daina makalan tv irin na dakin nan kullum kullum a'a gora yaya kika yi ba ni bayani gora Haba, yanzu kika yi tambaya mai mahimmanci, da ki bar su kullum gaban talabijin, kai suke sa su wasan motsa jiki wanda suke so, wannan zai sa su samu bunƙasa mai kyau da lafiyar jiki. Kina da mafitan nan, kika bar ni kullum nike ta ihu da tsalle-tsalle gora da na yi hawan jini ai. Hmm. Wai ma, ita Samira ta saurare ni? Ai gora sai kin jajirce, babu kallon TV in mutum bai kai shekara uku ba, kuma ko mai shekaru uku, ke za ki ba da izinin kallon tashar da za a kalla da kuma lokacin da za a yi, kai ya huce awa biyu, kuma kamata ya yi la'akari da shaidar hani wadda ake sawa. Kina kuma iya sa kod a tashoshin da baki son su kalla. Eh. wanda ake rubutawa ƙasa da shekaru goma da ƙasa da shekaru goma sha biyu kullum tambayar kaina nake wai menene wannan akwai magora ƙasa da shekaru sha shida da kun ƙasa da shekaru sha takwas amma ba mu kai nan ba tukwana <laughs> lokacin yana zuwa to gora na gane gora kuma ya kamata in sa ido kan abubuwan da za su yi kan yanar gizo ko kwarai kuwa Ban ce ba Samira za ta yarda da hakan yanzu yanzun nan, amma kar ki biya maki sisinar ta ta ‘yar lele. Kawa, wallahi kin ceci rayuwa. Daga yau zan ɗau mataki, ban ciki da ɗaya zamanto mini wawa sosoko. Alors, chers auditeurs, c'était là le, du desk du studio Kalangu, du femmes du studio Kalangu. Euh, comme vous le savez, nous sommes au XXIe siècle. Dans ce siècle de la technologie, les parents doivent contrôler l'usage de ces écrans pour leurs enfants, pour que le bien et l'utilité pour lesquels ils ont été conçus ne deviennent un danger et la solution un problème. Merci aux femmes du studio Kalangou. Suivons maintenant Moussa Hassan pour la culture linguistique. Il nous explique le mot destin. Moussa, bonjour. Eh oui, je vous remercie à vous, Ali Ajissir, et Salamat Kadri, de m'avoir donné cette occasion d'expliquer le mot destin. comme l'actualité l'oblige, on vient de célébrer la nuit du destin. Et le destin est défini dans le dictionnaire de Robert comme une puissance qui, selon certaines croyances, fixerait de façon irrévocable le cours des événements, c'est-à-dire la destinée, la fatalité. C'est aussi l'ensemble des événements qui composent la vie d'un être humain souvent considérée comme résultante des causes distinctes de sa volonté. Le sort, donc ce qui adviendra de quelque chose ou de quelqu'un. Mais en islam, le destin est l'ensemble des phénomènes issus d'un système de causes et effets affectant l'homme et la nature et qui relève, et qui relève avant qu'il ne soit produit ou qu'il se manifeste de la seule connaissance de Dieu la croyance du destin est donc le sixième pilier de la foi en islam. C'est-à-dire, le premier pilier, c'est croire en Allah. Deuxième pilier, croire aux âges. Troisième pilier, croire au saint livre Quatrième pilier, croire aux prophètes. Cinquième pilier, croire aux jours du jugement dernier. Et le sixième pilier, croire au destin, bon ou mauvais. Donc, euh, le destin, ça fait c'est partie intégrante de la religion même musulmane. Maintenant, en Zarma, comme tu le veux, t'as dit ici, Bakan Simara Kabouri, Zarm Saniga, Destino, Desse, Ngagati, Bora, Kodoro, Matka Igachida, Ba, Larabchinaga, Kadarnigene, Kodoro. Ok. sare la sabu, sare la sabu, Foyanga, Ine kan, Harino kan, Gakag, Nigar, ni bafunara mantin bayiranu amma har reno kan kafun sene bafunara kin bafuna kendi konda annan gufoya amma aslam tare wura kodoru hay kan gu na da mize da bafuna da dunya kulu windino kan haifono ga kendi amate amma za haya kan ga kendi za mat ka gate da za mat ka nango ka gate da wata kake na gate irkoi hinno gonda abere yadin ga absalam tarerawo ko dorwo ganji berino ni dina ni imantara ganji iddantano zama imantare ganji sintinagati mai yaddan da irkoi yin kanta mai yaddan da malaikai yin zanta mai yaddan da addini bere tirai ita kanta mai yaddan da muhammad sallallahu alaihi wasallam kan eh, annabi no iguwanta mai yaddan da kan Oui, euh, alors Moussa, ça veut dire que croire au destin n'exclut pas le libre arbitre, euh, comme vous l'avez dit, euh, de l'être humain, plein de ses facultés physiques et intellectuelles. Et merci beaucoup, Moussa Hassan. Si vous voyez, si, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Tagissir, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. sunana alhaji mamman sani ballar yara tahir tebur rai sosai shirin yana tar da mu kuma muna jin daɗin shiri saboda studio kalangu duk wani labari na duniya a karkashin shi muke yi kuma gaskiya mun gode allah ya saka da alheri allah bar zumunci kuma muna jinjina musu muna ɗaga musu da muce kuma muna jin daɗin abin da suke haɗi muna na labarun duniya sannan muna son kari mu inda stadium kalanguna ko awa biyar sun kara mana muna so ina gaida garan faraki na sule salifu a tilaberi peti marshe ina gaida abokina amini na kane na abdullahi alasan a garin lafa jihar tawa da departamentin keta bayan haka kuma ina gaida ban abokina babban amini na alhaji hashim american cikin garin yamai cikin kasuwa Habu Bene. Ni ce Ramatu Amadu wadda aka yi sani da suna Ramatu Bula a sha madara ina nan ja da magaran ina unguwar so mai gari. Gaskiya studio Kalangu ina jin daɗin shirye-shiryen ku sosai da sosai musamman ma da wani sabon shirin da kuka samu na sha zuwa sha biyu. Wallahi muna jin daɗin shirye-shiryen ku sosai da sosai Ubangiji Allah ƙara hazaka. Kuma abin da ya ƙara bani shawa a wanga studio kalangu saboda a kullum kuna barke gaskiya komin ɗacinta dushin tsoron ku kawai shi yasa wallahi kuke birge ni suna na umar musa eh, nan garin kwanni ina sauraron radio kalangu eh, bisa ga abubuwan da aka yi lalle abubuwa na masu mahimmanci saboda abubuwa na waɗanda ni kanka yana ina sauraron su shi na waye mutane kanu sosai da sosai saboda haka na radio kalangu muna jin na mishi muna yabo ne ɗari bisa ɗari to muna son a ci gaba da shirye-shiryen nan na radio kalangu muna fatan allah shi kama muna muna samu muna watsa abubuwan da mun ka gani muna haɗa muku kuna sawa Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs et auditrices, n'oubliez pas, pour apprécier nos programmes et surtout le Niger sur Kalangou, écrivez-nous sur 82 89 89 64 je répète, 82, 89, 89 et 64. Et à présent, Nafisa Adamou est avec nous pour nous rappeler les titres de ce soir. Bonjour. Bonjour, Ali. Bonjour Nafisa. Bonjour Salamatou. Alors, euh, dans nos éditions de 17h, vous entendrez tout d'abord un prédicateur qui explique comment la zakat doit être prélevée à la fin du mois de Ramadan. Ensuite, il sera question de la déclaration d'une structure de la société civile nigérienne, le CCLD Bukata, sur plusieurs problèmes qui minent la société. Enfin, le magazine du journal nous amènera à la découverte du groupement féminin Salmahari de Terra, des femmes transformatrices de Moringa ainsi que plusieurs autres produits maraîchers. Merci Nafisa Adam Sirfo pour ces titres d'information. Le Niger sur Kalangu, vous pouvez nous écouter à travers nos 52 partenaires, radio partenaires. C'est fini, vous, vous, étiez en compagnie de Salamatou Kadri et de Tajissir Ali. Le rendez-vous est pris pour demain avec Olivier et Seno. À la technique, c'était Mustafa Yuba et à l'édition Adama Dawaki. Salut, excellente journée à vous et au revoir. Bye bye. les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h. N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires. Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine. Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15. Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de tous à la fada. Et Studio Kalangu au, rythme, du Niger. Studio À Difa. Alternative FM 99.4 MHz. À Zender. Gaskia FM 89.5 MHz. À Maradi. Saraunia FM 102.1 MHz. À Kyoto. Bonferré Fuma 99 MHz. Studio Kalangu.